Le wax conseil de notables mu am récépissé D'ailleurs, euh, Afa Gueye mi le premier euh, euh, président conseil rural yu qui ci la jaare woon ba le président du président conseil rural ci loolu la Mor Gueye Ngom jaare ci loolu la Amath Diagne Seck aussi ba nekk li mu donc le conseil notable notables, nekk un conseil qui est c'est reconnu par l'État parce qu'il a na récépissé mais mu aussi

pour nek maintenant euh, responsable mo war ñu organiser li pour officialiser ko pour won ñepp ni nii waaye yéen ñoo ci d'accord fi mu nek tay ni chef du village imam yi kenn manqué ñepp ñu fi ça veut dire que kon way yéen nangul nañu cër bi nga xamne mom lañuy jox tey suñu devoir nak ñun ci coutume bi moo ñun dañu wara nek nit ñoo xam ay rassembleur dañu wara ay nit nekk nit ñoo xamne dañuy défendre intérêt dëkk bi dañu wara nek ay nit ñoo xamne dañu fa war jox jamm fu am problème ñu dañ war a dem toog régler ko war a bañ a am benn benn fu ñuy far fu ñu farul ndax libu gi xamul loolu mais libu gi li mu sa xam démb moo di moo di buur euh, libu du contre buur loolu lu ñu mës a xam la mu am mu am loo xam ne aussi moom la ñuy wax ci libu yi mooy rakk topp mag doom topp baay loolu tax ñu naan ñaakoon faakoon laakoon donc suñu devoir tey du du contrepartie du ànd ak ma sàmm du ànd ak ma dem

pour qu'on naka ensemble nous ñuy défendre intérêt donc le premier jour, que d'abord rencontrer vous, wu une trouver solution bokk ndey bokk bàyyi première voilà donc la réunion euh, manifestation d'aujourd'hui a pour but d'introniser un, un, je suis un, un Patefal, et aussi un saltigué euh, Cela s'est passé comment Vous savez que Yen a un conseil des notables qui, depuis 1885, a été créé. C'est avec maintenant ce conseil de notables que nous, avons, nous avions réussi à mettre Afagay comme président de la, de, la communauté rurale. Et c'est de la même, manière aussi que nous avions fait avec Morgengom, avec Amadou Aujourd'hui, notre devoir, c'est de rassembler tout le monde, essayer de faire en sorte que, que de travailler pour l'intérêt de toute la Mon premier acte sera, vous savez qu'il y a des gens qui, sont, qui ont été élus avant nous, donc nous, reconnaissons effectivement leur, comment euh, de reconnaître leur statut. ce nous, nous, tous, c'est d'être avec nous ensemble, nous travaillerons pour l'intérêt d'ailleurs. Voilà.